le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du du le forum du le forum du le forum 18h euh, passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou présenté par Mokhtar Hamadou. Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 10 août 2018, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par le message à la nation du président de la République le 2 août à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Niger. Sur le plan humanitaire, dans le cadre de la gestion des catastrophes, le ministre de l'Action humanitaire a fait le point mercredi des dégâts causés par les inondations suite aux précipitations enregistrées sur le Niger. Au Mali, l'affiche du second tour de la présidentielle du dimanche opposera le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé. Mercredi, la Cour constitutionnelle du Mali a confirmé les résultats donnés la semaine précédente par le ministre en charge des élections, balayant ainsi les recours introduits par le candidat Sissé et les autres candidat malheureux du scrutin du 29 juillet. Pour euh, développer ces thèmes, nous avons dans ce studio Hassan Boukara Diaba de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Garé Amadou du quotidien La Nation. Garé Amadou, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, À l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance du Niger célébré le 3 août, le président de la République Issoufou Mahamadou s'est prononcé sur plusieurs sujets de l'heure. On peut citer la situation sécuritaire au Sahel et le long du lac Tchad, la situation scolaire, la protection et le maintien des filles à l'école, la démographie et les élections libres, transparentes, crédibles et inclusives en 2021, etc. Hassan Boukar, dit de la radio alternative. Quel est le point qui vous a le plus attiré, qui a le plus attiré votre attention et qui mérite euh, votre analyse Merci beaucoup. Euh, comme tous les Nigériens, j'ai eu l'occasion de suivre euh, le président de la République à l'occasion de ce message à la nation. J'ai fait le constat que la plupart des sujets traditionnels sont là, notamment la sécurité en bonne place, la question de l'environnement, l'éducation. Puis, euh, l'actualité est dans la question des élections, comme vous venez de l'évoquer. Alors, globalement, euh, je retrouve presque les mêmes discours, par exemple euh, sur la sécurité. Il y a toujours un discours double. Il y a une envie des pouvoirs publics, pas seulement au Niger, mais en tout cas dans la sous-région, euh, de dire à l'opinion que les efforts fournis en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte pour la paix et la sécurité ont payé, en donnant quelques exemples. Alors le président de la République dit, puisque des élections se déroulent au Mali, c'est la preuve que quelque chose a changé, que Boko Haram a été affaibli, mais en même temps, il fait le constat que beaucoup de personnes sont tombées dans cette guerre contre le terrorisme, qu'il y a une capacité de nuisance. Et donc, on retrouve ce double discours, d'une part, pour dire euh, on a fourni beaucoup d'efforts et ça affaiblit. Mais de l'autre côté, on finit par faire le constat que euh, l'ennemi est là, bien présent. La preuve, il y a des actes qui sont posés par-ci, par-là dans, dans notre pays. Alors, euh, sur les, les élections, le président a rappelé justement sa volonté de voir des élections libres et transparentes. Pour moi, ça rappelle un peu des choses qu'il a eu à dire avant les élections de 2016 et où il avait pris l'engagement que les élections seraient libres, que l'échec serait un échec euh, personnel. Sa propre échec. Oui, mm. mais bon, on sait ce qu'il en a été des élections de 2016. Et donc, du coup, le fait qu'il réitère les mêmes promesses, ça laisse un peu dubitatif euh, sur, euh, sur ça. Mais sur la sécurité, il a annoncé quand même beaucoup d'appui, de l'aide aux familles des victimes, en particulier des forces de défense et de sécurité. Je pense que c'est quelque chose de, de bien d'aider toutes ces victimes, ces veuves, ces orphelins que la guerre a laissés. Je pense que c'est quelque chose de bien de, qu'on peut, qu'on peut apprécier. Autrement, sur les questions euh, de changement climatique et tout ça, c'est vrai que ça fait un peu l'actualité aujourd'hui chez nous. Il rappelle les difficultés qu'il y a, l'engagement de l'État à œuvrer conformément à la conférence de Paris et tout ça. Mais bon, euh, peut-être qu'on reviendra un peu, euh, étant donné que la question du changement climatique fait, fait, l'actualité. Euh, sur l'éducation, il a rappelé les résultats des examens, l'examen BAC, BPC, pour faire le constat qu'il y a encore des efforts à fournir sur la question euh, de l'éducation, pour qu'il ait une éducation de qualité, en particulier au profit des jeunes filles à l'école et tout ça. Moi, je considère que le président a fait vraiment le, tour. En, bon, quelquefois, on est un peu surpris aussi, par exemple, sur la question de la démographie disait que nous sommes passés de, de, 7,8 enfants à 6 enfants par Voilà, voilà. Bon, je ne sais pas quoi, quoi penser. Je sais que euh, c'est un sujet dont on en parle beaucoup aujourd'hui dans notre pays, comme on parle des dividendes démographiques, etc. etc. Alors, oh, il parlait des efforts et tout ça. Je sais qu'au niveau des pouvoirs publics, ce débat est extrêmement difficile. Il est difficile parce que euh, l'opinion est généralement opposée à l'approche qu'il y a sur les questions de démographie parce que c'est une opinions, euh, opinion qui a ses valeurs, qui a ses croyances et tout ça, qui ne sont pas toujours les mêmes, sur les mêmes positions avec les pouvoirs publics. Alors quand le gouvernement parlait des efforts qui sont fournis, euh, je considère que c'est des choses qui ne bougent pas facilement. C'est comme la question de l'éducation quelquefois. Alors, réussir à inverser les traditions, je pense que ça prend beaucoup de temps. Donc, j'étais un peu surpris que le président annonce déjà qu'on est passé de 7,6 enfants à six enfants, euh, je ne sais pas, ça me laisse un peu dubitatif. Quoi. Voilà ce que je peux dire. Gary Amadou du journal La Nation, quel est pour vous le passage du message qui vous a euh, marqué le plus le, passage qui m'a marqué, c'est ce que a rappelé. C'est la partie où le président de la République a pensé aux familles des soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur le chef de la FA a fait des annonces extrêmement importantes. Je pense que c'est la chose exceptionnelle qu'on peut ressortir du discours. Sinon, c'est les mêmes thèmes qui ont été abordés par le passé, parce que ce 3 août a servi en fait d'occasion pour le président de la République pour faire le discours sur l'état de la nation en réalité, sur plusieurs sujets, il a plusieurs sujets. Mais on retiendra quand même cette annonce faite pour les, familles des soldats qui sont tombés. Ça, je pense que ça va faire beaucoup de plaisir euh, aux militaires qui sont en activité et ceux dont les familles euh, ont perdu une personne sur le, sur le volet de, des élections euh, de 2021, effectivement, le, le, président de la République a fait des annonces assez, assez importantes. Vous savez, les élections de 2016, quoi qu'on dise, ce sont des élections qui ont été reconnues par la communauté internationale. L'opposition conteste comme d'habitude, vous comprenez Parce qu'il n'y a pas un pays où, euh, pratiquement, sur 10 élections, vous allez voir, l'opposition conteste les 9 élections. C'est-à-dire c'est presque un réflexe chaque fois de parler de, de, de, de, se plaindre. Mais, dans, ce pays, on, on, avait, on avait quand même une tradition où les chefs de file de l'opposition ont quand même salué. Ils ont ils sont déplacés mais, pour féliciter. oui, mais c'est pas parce que c'est pas parce que les opposants ont critiqué une élection que ça. lui il en a fait. l'a fait. Oui, c'est pas parce que les opposants ont critiqué une élection que ça enlève la crédibilité à cette élection. C'est ça que je veux faire comprendre. Parce que cette, que cette élection-là a été saluée par la communauté internationale. Vous avez vu lors de l'investiture du président de la République les délégations, l'Union européenne, les Nations unies, tout le monde était là. Ces élections-là, quoi qu'on dise, ce sont des élections crédibles. Mais elles ne sont pas crédibles pour ceux qui ont perdu. Vous comprenez Deuxième chose. Ah, ah, ah, bah, bah, vous n'avez pas, la parole. Vous, avez, la parole. Donc, je pense que euh, c'est un, peu, un peu vain de toujours continuer sur le même discours, euh, de se lamenter. Je pense que euh, la communauté internationale a reconnu les élections. Elle a reconnu un président démocratiquement élu. Elle est venue à son investiture et il continue à diriger le pays jusqu'en 2021. Il espère quitter le pays, quitter le pouvoir en 2021. Il a, réaffirmé son engagement. L'engagement voilà, L'engagement est toujours là. Ce qu'il faut, c'est que les différents acteurs fasse preuve de bonne volonté et qu'il ne fasse pas preuve d'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie amène souvent des situations désagréables, comme on l'a vu en, 2007. C'est-à-dire que vous votre parti prenant un processus, après vous vous plaignez à la fin encore, vous, vous, dites que non, non, ça c'était injuste, etc., etc., Alors que si vous aviez gagné, ça ne serait pas injuste. Est-ce que vous comprenez Donc on joue au mauvais parna sous le volet de la sécurité, le père de la République, c'est vrai, il a dit des choses. Il dit, il n'a pas dit que le terrorisme a été vaincu. Il est franc. Il dit des efforts ont été faits. Parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans la région de Difa, Difa, la situation qu'on avait connue les années antérieures, ce n'est pas cette situation-là. C'est vrai que de temps en temps, il y, a des, il y a des trucs, mais la situation de, où, les attaques étaient pratiquement systématiques, on n'assiste plus à ça. Ça, ça dénote des signe d'affaiblissement de, Boko Haram. Mais attention, affaiblissement ne veut pas dire que Boko Haram n'est pas, pas actif. C'est ça qu'il faut, Et ce que le président a voulu dire. Concernant la lutte sous-régionale contre, contre le terrorisme, des efforts sont en train d'être faits par les pays sous l'égide du G5 Sahel pour essayer de contenir les, les, assauts terroristes. Mais là aussi, le président ne dit pas que non, non, on a, fini, on, a fini, on a fini avec. Non. Il dit des efforts sont en train d'être faits. D'ailleurs, les pays investissent beaucoup d'argent dans leur budget dans le cadre de cette question de sécurité. Donc, c'est des choses qu'il faut, faut e, e, effectivement, effectivement, dire. Concernant le, la démographie, moi, moi particulièrement, moi, moi, je suis contre la limitation de naissance, hein, c'est un avis personnel, vous comprenez Bon, euh, <laughs> mais, mais, je constate quand même que depuis un certain temps, on assiste à la multiplication des césariennes, ce qu'on ne connaissait pas avant. et eh bien, cette multiplication des césariennes peut amener effectivement à la chute du chiffre, euh, du taux de, de, de, de naissance, parce que systématiquement, si on fait des césariennes, à chaque, à chaque accouchement, au bout de certain temps, vous ne pouvez plus accoucher. On va vous dire, ah non, la césarienne, là, on vous fait 1, 2, 3, 4 fois, à la cinquième fois, point. Et donc, vous voyez, donc l'objectif visé par les Occidentaux de, limiter la naissance, moi je suis contre. Parce que pour moi, derrière cette idée de limiter la naissance, limiter la, naissance il y a quelque chose derrière que je n'aime pas. Parce que nous, nous faisons des enfants, n'est-ce pas Nous en faisons. Parce que moi, je suis du, du de, de, ceux qui disent que plus on a beaucoup d'enfants, plus on est nombreux, plus on se développe. C'est clair et net. Alors, si on a une population, parce que si on réduit les naissances, ça veut dire que la population va vieillir, c'est un processus de vie. en Occident, mais, donc, méfiez-vous de ce que les Blancs vous servent. Les Blancs vont vous donner de l'argent pour vous dire faites ça, que c'est bien. Mais comment peuvent-ils savoir ce qui est bien pour nous donc, voyez, donc, sur cette question-là, vraiment, moi, je, suis, je de ceux qui sont contre cette, affaire-là. Maintenant, euh, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire, sur tous les sujets que le président de la République a abordés. Isamadougou, euh, le président de la République a-t-il oublié de soulever certains points importants à vos yeux euh, Merci Mokhtar. Euh, certains d'entre nous, des Nigériens qui ont suivi, parce que ce n'est pas tout le monde qui est ça, je peux l'attester, parce que on sait qu'il y a certains Nigériens aujourd'hui qui ont adopté un comportement pas du tout euh, responsable, parce que même quand on, a, on est dans l'adversité, quand même, il y a le respect. Il faut écouter l'autre pour le comprendre, même si vous voulez aller en contre contrevent contre cette personne. Écoutez, moi j'ai écouté ce message la première des choses, en parlant de la sécurité, j'aurais bien entendu que le président parle de Ngalewa. Ah, ça a été oublié mais je pense que c'est. Vous faites allusion des femmes, et enfants qui ont été enlevés là, ça fait plus d'un an. Ça fait 13 mois que ces enfants. Et voilà l'occasion, le 2 août, c'est le 13e mois euh, pile que ces femmes et ces enfants ont été enlevés, dont nous n'avons plus de nouvelles. J'aurais bien voulu que le président euh, en parle un peu pour vous nous rassurer. En parlant euh, de la euh, sécurité. Oui, en parlant de la sécurité, des efforts qui ont été fournis dans la région du lac, parce qu'il faut qu'il nous rassure. Aujourd'hui, le, père de la nation, si nous, Nigériens, nous ne pouvons pas nous sentir en sécurité dans notre pays, ce qui veut dire qu'il y a des choses que nous devrons encore revoir dans la manière de gérer la sécurité. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites quand il s'agit aussi de la démographie. Mais en en conclusion, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme si ça devient un peu de la redondance. Et on est toujours peut-être au, stade de slogan. Les annonces, ce n'est pas ça qui... C'est vrai, il est à saluer euh, l'initiative de venir en aide aux familles des victimes. Mais nous attendons encore parce que combien de fois dans les sorties médiatiques du chef de l'État, il dit, j'ai donné l'intérêt. Euh, l'instruction au gouvernement de faire ceci et de faire cela et jusque là il y a beaucoup qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas bougé qui n'ont pas bougé d'un iota donc il faut qu'on arrête euh, le président nous rassure parce que quand on retrouve dans d'autres discours des pays voisins ou des pays africains à l'occasion des indépendances, ce sont des annonces fortes qui, ont, qui, qui, qui émaillent ces, ces, ces adresses à la, à la, nation et qui amènent le plus souvent l'inquiétude et la cohésion sociale et surtout qui renforce aussi la gouvernance. Donc il faudrait ce genre de choses. Il ne faut pas que on, continue de conjuguer le, verbe faire, j'ai fait, ou bien qu'on on ait toujours cette phrase que j'ai donné l'instruction. Euh, au gouvernement de faire ceci et de faire cela. J'aurais bien voulu que, que ça soit déjà, et comme on appelle, euh, fait, que le président vient le dire. Mais parce que nous avons trop entendu de slogans. Parfois, c'est ce que moi je pense. Hein. C'est des slogans qu'il faut mettre vraiment à terme. Pour finir, il y a aussi, c'est-à-dire, je ne trouve pas l'adjectif eh, adéquat pour qualifier. C'est comme si il y a ce sentiment de faire montrer à l'extérieur que nous sommes en train de faire quelque chose pour eux. C'est cette quête de, financement de l'extérieur, c'est-à-dire en parlant de la démographie. Non, un de la démographie. Nous ne pouvons pas continuer à dire que ces gens-là vont nous imposer comment nous allons vivre ces familles parce qu'ils veulent nous donner des projets de, développement comme sur le dividende démographique. Tant que nous sommes nombreux, nous allons travailler. On ne va pas se manger entre nous. Quand même, nous sommes dotés de capacités de, relèvement. Tout être humain que vous voyez est doté de cette capacité de relèvement et de résilience. Il suffit seulement de stimuler cela au niveau, dans le comportement, dans le quotidien de cette personne pour que ça s'active. Mais aujourd'hui, il faut que nous arrêtons vraiment de, faire. C'est comme si nous travaillions pour l'extérieur. Et c'est ce que j'ai un peu senti dans ce gouvernement que le président a fait le bilan. Une grande partie de ce message pour à l'extérieur. Alors qu'aujourd'hui, c'est les Nigériens, tout ceux qui devraient rassembler les Nigériens, c'est ce qui devrait être vraiment les points, les points phares de cette adresse. Hassan Boukar, rapidement, vous avez quelque chose à ajouter Oui, donc je voulais juste réagir sur un peu ce que Gareth disait sur les, sur les élections. J'aimerais quand même rappeler que dans ce pays, euh, on a quand même aussi une tradition de consensus sur les questions électorales. Il y a eu des élections qui se sont bien passées. Au-delà de ce qui dit l'extérieur, nous avons notre propre grille de lecture. En tant que citoyens de ce pays, nous voyons les choses se dérouler. Quand il y a eu les élections de 1996 sous Bari, il y a eu énormément de contestations, chacun peut donner des éléments. Par la suite, il y a eu des élections plus ou moins apaisées. Les élections de 2016 ont été quand même, oui, l'extérieur peut avoir ses raisons, mais en tant que citoyens qui vivent dans ce pays, électeurs qui partons aux urnes, qui écoutons qui voyons tous les acteurs réagir, on sait que ces élections de 2016 ont beaucoup de choses à dire. Oui, les, les, les, les opposants on, peut peuvent souvent trouver des choses, mais on a vu aussi des opposants quand même reconnaître des résultats dans ce pays. Donc, je pense qu'il y a des moments où, malheureusement, sur, les, certaines choses, quand le président de la République fait des, fait des, fait des promesses, les citoyens s'attendent à ce que ces promesses soient tenues. Quelquefois, ces promesses, on est loin de les voir se tenir. you Le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a dressé cette semaine le bilan des dégâts causés par la pluie avec euh, les régions les plus touchées euh, de l'installation de la saison des pluies à la date du 6 août 2018. Euh, suivant le ministre Lawan au micro de Habibou Garba. À la date du 6 août, nous avons 49 845 sinistrés pour 6 euh, 146 ménages. Nous avons malheureusement enregistré 22 décès. Nous avons également 26 344 têtes de petits ruminants et gros ruminants qui sont décimés. 3 131 maisons effondrées. 3 902 hectares de cultures inondées. 11 classes et 33 puits effondrés. À cette même date, donc aussi août 2017, on dénombrait 19 549 personnes sinistrées, 23 pertes en vie humaine et euh, également également 2446 maisons effondrées à la même date l'année passée. C'est dire que cette année, ça double. Et effectivement, nous avons prévu dans le plan de contingence qu'il est possible que 170 000 Nigériens soient sinistrés suite à des inondations. Et à cette allure, il est fort possible que ça soit plus que ça. Par rapport donc aux régions, la région la plus impactée, c'est la région de Maradi. Maradi a enregistré 19 283 personnes sinistrées. Deuxième, c'est la région donc de Difa, avec 9 064 sinistrés. La troisième région, c'est la région de Zander, avec 6 798 personnes sinistrées. La quatrième, c'est la région de Tawa, avec 6 705 personnes sinistrées. La cinquième région, c'est Niamey, avec donc près de 2000 sinistrés. Isamadougou, votre réaction à propos de ce bilan Premièrement, je dis merci. Enfin, enfin l'argent du contribuable pour euh, l'entretien de ce ministère est justifié. Le ministre a fait un travail et je suis parfaitement d'accord. Il a justifié nos fonds parce que depuis la création, on ne sent pas réellement. Par rapport à ces inondations, moi, je pense que euh, la situation, quand même, même s'il y a eu des pertes en vie humaines dans nos compatutions, nous présentons nos condoléances euh, aux familles des victimes et prompt rétablissement aux blessés, et quand même, ça a été euh, moindre. On s'attendait pire au regard de quand on connaît par rapport aux autres pays euh, de la sous-région pays de la sous-région et les prévisions quand on connaît aussi la qualité et la nature de nos habitations qui ne, qui ne sont pas du tout résistants en cas de, forte quantité de pluie donc moi je pense que maintenant l'heure est d'organiser encore euh, la mobilisation pour venir en aide à ces finistrés et aussi là où on peut éviter s'il y a des travaux à faire pour éviter ces cas d'inondation, c'est le temps. Mais il faut que aussi nous, les communautés, parfois quand il y a ces travaux, que nous puissions mettre la main euh, dedans parce que nous ne pouvons pas attendre tout de l'État. Quand il y a, parce que c'est aujourd'hui c'est tout le pays qui est concerné. Quand vous prenez des, des zones comme Ifirouan, Ingal, qui ne sont pas, moi je pense que c'est des zones où, il ne pleuvait plus pratiquement. Oui, évidemment, c'est le changement climatique que beaucoup continuent de nier. C'est une réalité, le changement climatique, cette mutation profonde dans que vit le climat. C'est ce qui affecte aujourd'hui ces zones-là. C'est des zones de nature désertique où les gens ont vécu pendant des années, plusieurs, des milliers d'années, qu'ils ont adapté leur habitation euh, au climat. Aujourd'hui, ces habitations ne peuvent plus tenir. Même ici à Niamey, il y a des zones, quand vous prenez durée il y a des habitations qui sont en banco, qui n'ont pas pu résister. Et parfois, la force de l'eau, il n'y a rien qui peut, avec la force de l'eau, rien ne peut résister. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est de, faire encore une mobilisation nationale de solidarité, la chaîne de solidarité. Et merci aussi aux bonnes volontés qui se sont manifestées envers ces populations. Mais tout de même, l'État euh, continue de faire, je pense qu'il est temps aujourd'hui de, s'il y a lieu de reloger certaines populations qui vivent à risque, c'est le temps de le faire parce que la pluie, ça arrive encore et selon les prévisions, nous vivons ces, 12 euh, heures encore avec des activités pluvieuses très actives. Euh, sur l'ensemble du pays. Gary Amadou, malgré la sensibilisation chaque année, ce sont presque les mêmes endroits ou encore les mêmes personnes qui sont victimes d'inondations. Faut-il condamner les victimes ou les pouvoirs publics faute de canalisation adéquate Oui, il faut condamner les deux. Nous sommes têtus, c'est dit, on euh, a l'habitude de le dire, nous sommes têtus, nous sommes durs d'oreille. Euh, quand on nous dit ne faites pas ça, on a tendance à refaire les mêmes choses. Donc, on a tendance à dire que c'est Dieu qui, qui fait <laughs> les choses. Oui, mais euh, d'accord, Dieu, mais bon, Dieu aussi nous a donné euh, un cerveau, n'est-ce pas, une intelligence pour pouvoir quand même euh, pouvoir nous, bien nous, nous vivre dans la, la, dans la société. Donc, je condamne déjà les populations qui viennent reconstruire dans les lits des lacs et des fleuves, première chose. Mais je condamne le pouvoir public qui les laisse reconstruire. Parce que ces gens-là ne, construisent pas en cachette. C'est pratiquement à maturité définitif qu'ils construisent. Et où est le pouvoir public Pourquoi on, laisse les gens faire jusqu'à ce que la catastrophe arrive Non, moi je pense qu'à partir du moment où on a dit aux gens ne construisez pas à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il faut occuper l'endroit. Non, on prend des dispositions pour empêcher à ce que les gens reconstruisent. Parce que si les gens reconstruisent, ça veut dire que le pouvoir public a failli. Ça, c'est clair et net. Maintenant, concernant le bilan que le, ministre le, le ministère des Catastrophes a fait, c'est très bien le bilan, euh, c'est parce que ça permet de savoir effectivement la situation à l'heure actuelle. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir la prise en charge des sinistrés, comment ça se passe. Parce que pour moi, euh, je pense qu'on est arrivé à un moment où on ne doit plus attendre que l'extérieur vienne sauver nos enfants. Qu'est-ce que je veux dire Pour moi, au Niger, il faut qu'il y ait un fonds pour la gestion des catastrophes. Il faut qu'au sein du budget national, qu'il y ait un fonds pour la gestion des catastrophes, un fonds conséquent pour, pour mais, mais, cette année, dans le budget, c'est euh, le ministère qui a reçu le plus maigre, le maigre budget. Oui, mais ça, je, je, je, déplore cela. Pour moi, je pense que la catastrophe, quand une catastrophe survient dans un pays, c'est vrai qu'il y a des aides extérieures. Mais d'abord, les premières actions doivent être menées par l'État. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un fonds qui va nous permettre de gérer. Maintenant, ceux qui disent qu'ils vont nous apporter un appui, on ne peut pas refuser. Mais on ne va pas leur demander cet appui-là. S'ils disent que non, par solidarité, on va vous apporter ça, des, tentes et tout. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il y ait un fonds national pour la gestion des catastrophes. Ça, c'est extrêmement important. Parce que si eh, les enfants du pays, je le répète, n'est pas l'extérieur qui va les, le sauver, c'est nous qui allons les prendre en charge. Avec l'argent du contribuable, on peut faire ce fonds-là. On peut, on peut créer une rubrique au niveau du budget national, Fonds national de gestion des catastrophes, pour qu'il soit géré, même si ce n'est pas un truc, mais par le ministère. Dans, à certains endroits, euh, les inondations sont dues euh, au fait euh, du manque de caniveau ou bien de l'insuffisance des infrastructures d'assainissement. ça encore, c'est un autre problème, parce que là, ça repose encore le problème. C'est-à-dire que quand on construit des routes, il faut construire des caniveaux. Parce que le grand problème dans ce pays-là, c'est que les routes, les gens, c'est-à-dire qu'on les construit et vous voyez par exemple la grande route qui va de la ceinture de, de police jusqu'à à des endroits, c'est pratiquement inondé. Et aujourd'hui, si vous partez au niveau de rond Data, je vous assure, c'est une mare. Mais comment vous pouvez comprendre alors que normalement, au niveau de Odata... Et puis c'est ça que chaque année, hein, c'est presque chaque mais année. chaque année, on, Et dès qu'il y a une pluie, regarde la pluie d'aujourd'hui. On ne peut pas dire que c'est une grosse pluie. Mais vous voyez, le Data maintenant, c'est une mare. Mais comment on peut comprendre ça Mais qu'est-ce que le pouvoir public font, pour que chaque fois, le même endroit, que ça soit vraiment presque une sorte de lac, ah, ah, il y, a des évacuations, mais ça ne fonctionne pas. Hassan Boukara, que préconisez-vous pour mieux gérer ces catastrophes désormais habituelles Ah oui, ça c'est une grande question. <laughs> non, le, plus inquiétant, c'est que... Tout à l'heure, Garé a, parlé d'un budget conséquent euh, au niveau du ministère, euh, des, de, la gestion des catastrophes. il faut absolument des, moyens, comme, l'a dit Garé. Mais, l'autre mot, c'est Issa Margot qui l'a lâché, c'est la question du changement climatique. Ce que nous vivons aujourd'hui ressemble euh, beaucoup aux conséquences du changement climatique. C'est donc des choses sur lesquelles euh, on a parfois peu de capacité. C'est vrai que les États peuvent, euh, les citoyens, les communautés peuvent agir pour réduire les effets des, des conséquences du changement climatique, mais ça veut dire que ça devient quelque chose de récurrent, tel qu'on le vit dans d'autres régions du monde. Nous aussi, nous allons continuer à vivre de façon récurrente les conséquences justement du changement climatique. Alors, il y a les conséquences euh, au vu du bilan qui a été donné à plusieurs niveaux. Euh, le bilan humain est très lourd. 23, décès, 23 décès je pense que c'est un bilan très lourd. Mais il a annoncé aussi, par exemple, euh, des, bétails décimés par la pluie. Il a annoncé aussi près de 50 000 personnes qui ont été affectées par, par l'eau. Alors, tous ces bilans c'est quelque chose qui est difficile à gérer et qui va prendre du temps avant que le pouvoir public n'arrive à trouver des solutions. Sur le bétail, par exemple, à un moment, on se disait dans ce pays, après euh, une campagne de, de cette nature, par exemple, les éleveurs qui ont perdu une partie de leur troupeau mettent 2-3 ans avant de se remettre. Cela suppose que dans les 3 ans, il n'y a pas une autre catastrophe qui se rajoute. Alors, le fait que ça devienne récurrent aujourd'hui, c'est que ça va impacter sur la durée la vie des éleveurs. Et donc, ceux qui perdent le troupeau, certains pourraient être amenés, comme toutes ces personnes qu'on voit aujourd'hui à Niamey, à vendre du café, à vendre des téléphones cellulaires. On ne pourrait pas l'imaginer il y a 20 ans, ce n'était pas imaginable. Alors, ça va impacter de façon durable la vie de certaines catégories de communautés dans nos pays. C'est donc des choses auxquelles les pouvoirs publics doivent réfléchir. En milieu urbain, là, comme Garel l'a dit, mais une ville on construit. Quand vous voulez vous coudre une chemise, vous savez bien où est-ce qu'il faut placer la poche, il faut, il faut, tout arranger. Une ville se construit de la même façon. Une ville a des règles, il y a des normes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses une ville se construit selon des normes. Imaginez voir ce quartier UP euh, de la ville de Niamey, Kouarkano, il n'y a pas même un seul mètre linéaire euh, de caniveau. Et donc, une, ville, on ne la construit pas au hasard, tout est conçu à l'avance. On réfléchit tout à l'avance avant de poser les actes. À Niamey, tout le monde dit, c'est une ville qui est au bord du fleuve, il y a beaucoup de passages d'eau, sur lesquels les pouvoirs publics ont laissé les gens construire, comme le dit Garé. On, a vu les gens, hein, on a laissé les gens construire. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement difficile. Je vous donne un exemple. Un jour, j'assistais à une, à une euh, conférence convoquée par la ville de Nouakchott en Mauritanie. Alors, la ville de Nouakchott a été inondée, je crois, en 2013, par de fortes pluies qui euh, qui ont eu lieu aux environs de la ville. Et les techniciens disent, vous n'avez que deux solutions ou vous avez une solution à la néerlandaise, c'est-à-dire que vous construisez des, des, des, des systèmes de canalisation où l'eau de la mer, puisque sont au bord de la mer, peut traverser la ville, euh, puis revenir à la mer. Donc vous êtes obligé de laisser les passages, ou vous faites des digues à l'américaine pour empêcher que l'eau puisse venir vers la ville. Les deux solutions coûtent extrêmement cher. Alors chez nous, on peut encore essayer de rattraper les choses. Mais il faut que le pouvoir politique en soit conscient. Une ville comme Niamey aujourd'hui n'est pas concevable, qu'il n'y ait pas un bon schéma directeur, qu'il n'y ait pas un plan de où on peut construire, où on ne peut pas construire. Et donc, puisque ces phénomènes devient récurrents aujourd'hui, dans les années à venir, on va continuer à vivre des, des, situations naturelles avec euh, tout ce qu'on voit comme coût humain. Et là, c'est pas acceptable, quoi. Le président sortant du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de file de l'opposition Soumaïla Sissé seront dimanche face aux électeurs pour le second tour de l'élection présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta part déjà favori avec 41,70% des suffrages au premier tour, euh, selon les résultats définitifs proclamés par la présidente de la Cour constitutionnelle. Son rival, Soumaïla Sissé, 17,78%, euh, n'arrive pas à convaincre les autres candidats malheureux à s'unir pour rattraper son second, pour rattraper son retard du 29 juillet. Garé Amadou, alors que la campagne pour le scrutin du dimanche prend fin aujourd'hui même, les candidats malheureux du premier tour euh, euh, qui ont dénoncé euh, des fraudes dans la coalition avec Soumaïla Sissé refusent encore de donner des consignes de vote en sa faveur. Quelle explication oui, en tout cas, tout à l'heure, on a suivi quand même le chef Modibo Diara qui dit que, en tout cas, le troisième et le quatrième disent qu'ils ne donnent aucune consigne de vote pour les deux candidats. Mais comment pouvez-vous expliquer euh, ce état de fait Non, mais parce que lui, Cheikh Moudi Bouyara dit que euh, euh, euh IBK qui rempile, ce n'est pas l'alternance. Sommet le CC qui succède à IBK, ce n'est pas l'alternance. Et c'est ça leur grille, c'est comme ça qu'ils lisent la chose. Ils disent qu'ils ne donnent pas de consignes ils considèrent que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. au deuxième tour, donc, il n'y a aucune différence, donc ils ne donnent pas de consignes. Mais ça donne encore plus d'indécision concernant ces élections-là. Parce que dans des cas comme ça, ce n'est plus les critères rationnels qui, jouent, c'est les critères irrationnels, les critères ethniques parce qu'on arrive à un point où, euh, <laughs> c'est triste de le dire, <laughs> il y a un bambara contre euh, euh, un, comment on appelle ça là. Donc, vous voyez, donc c'est... Un peu le ah oui, oui, oui, donc, voilà, donc, eh, mais, malheureusement, eh, eh, c'est ça qui va gâter un peu cette élection-là, c'est ce qui va se passer. Les gens seront plus enclins à voter pour quelqu'un qui leur est tenu plutôt que de, sur la base du programme que le, le monsieur a donné. Donc, ces élections-là vont se dérouler. Ce qu'il faut espérer, c'est que quand même ces élections-là soient apaisées n'est-ce pas Soumet le Cissé est quand même connu quelqu'un qui est connu assez, d'assez sage. Il avait déjà perdu une élection. Il sait qu'un jour son heure viendra. Donc moi, je pense que il a beaucoup plus d'efforts à faire par rapport à Ibeka. Ibeka qui a 41%, il a pas beau. C'est vrai, il a des efforts à faire, mais pas comme le Cissé qui doit vraiment faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour avoir 51%. C'est très compliqué. Il le sait lui-même. Il sait que c'est très compliqué. Et donc, je pense que euh, pour moi, le schéma qui se dessine, c'est que Ibeka va remplir pour un second mandat et maintenant, l'heure de sommet les CIC viendra certainement après le mandat de Ibeka. Hassan Boukara, la Cour constitutionnelle a donné les résultats définitifs mercredi et aujourd'hui c'est la fin de la campagne pour, le, deuxième tour qui a duré 48 heures. Euh, comment analyser ce très court délai euh, qui ne permet pas aux candidats de se déplacer dans ce vaste, très vaste pays du Sahel, euh, plus étendu que le Niger Bon, ils ont déjà presque fait le miracle, les Maliens, le fait que les élections se tiennent déjà dans ce contexte euh, sécuritaire c'est déjà quelque chose qu'il faut mettre euh, à, leur compte, c'est déjà bien. Mais tous les croient que c'est presque joué, hein, comme Garel l'a dit. Le scénario à la Guinéenne, euh, c'est pas évident. C'est hein. C'est dialogue contre Alpha Condé, quelqu'un qui, a qui a 44% au premier tour et dont on donne vaincu finalement euh, à la fin pour qu'Alpha Condé prenne. Bon, ce scénario, on ne peut pas l'imaginer au Mali, ça ne va pas arriver. Je pense que Ibeka va, gagner. Mais ce qui, ce qui, ce qui me dérange, on a déjà vu Ibeka pendant toutes ces périodes-là, que ce soit sur les questions de la paix, sur le sort des Kidal, sur les affrontements ethniques, des accords d'Alger. Bon, faire vraiment du Mali un pays au moins euh, qui choisit le bon chemin, qui donne l'espoir qu'ils vont finalement sortir de cette crise sécuritaire. Rien de tout ça avec Ibeka. Alors, <clears throat> quand je le vois avec plus de 40% des suffrages exprimés au premier tour, là, ce qui est arrivé, c'est presque ce que Garé a dit. Les gens ont voté sa personne, ils ont voté l'ethnie, la communauté à laquelle elle appartient. Et donc, euh, c'est un triste sort pour les Maliens. C'est bien dommage pour tous les Maliens qui attendaient de voir euh, Ibeka faire des choses. Il avait un moment qui incarnait l'espoir, hein. mais aujourd'hui, il se retrouve. La question que je me pose, qu'est-ce qu'il va faire de ce deuxième mandat Qu'est-ce qu'il va en faire parce que toutes les, tous les sujets sur lesquels on l'attendait. Il a, a traversé toutes ces années-là. Mais regarde, des affrontements ethniques au Mali, que le pouvoir ne soit pas capable de réagir. Sur le sort de Kidal, on n'entend aucune parole forte du pouvoir politique. La question des milices. La, question des milices, toutes ces questions, la, la question les, accords d'Alger vont avec. Alors, malgré tout, il a osé dire qu'il veut un deuxième mandat. Apparemment, les Maliens vont lui accorder ce deuxième mandat. Mais la question, mais qu'est-ce qu'il va en faire Moi, pour moi, la question de fond, c'est bien ça. Issa Madougou, en République démocratique euh, du Congo, le président Kabila a finalement décidé de ne pas briguer un troisième mandat. Euh, c'est son ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Chadari euh, qui sera le candidat à l'élection prévue en décembre. Votre commentaire avant d'aller euh, <laughs> en RDC, Oui, oui, je veux faire un petit saut ici chez nos voisins du Mali. Mhm. D'abord, au premier tour, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut. Je pense que c'est c'est cet état de fait qui peut expliquer un peu l'attitude du troisième et du quatrième, à savoir Diarra et Diallo, qui n'ont pas donné de consigne de vote. Vous savez, le premier tour a été émaillé par un fort taux d'abstinisme. Et quand, euh, oui, quand on posait la question, la majorité, c'est des jeunes. Qu'est-ce qu'ils disent C'est la même chose. On les a tous vus à l'œuvre. Eux tous ont collaboré avec ATT. Voyez-vous, ATT, on croyait à un temps au, Mali, c'était le chouchou, le président avec l'air de la démocratie, avec Konaré, c'est l'un des présidents les plus aimés. Et voilà que les Maliens changent d'un seul coup le discours, surtout la, la, jeune génération qui pense que ATT a fait de laisser aller au lieu de gérer le Mali pour un lendemain meilleur. ATT a préféré gérer ses amis et gérer un clan. Aujourd'hui, c'est ce qu'eux ils pensent quand on comme les, différents reportages faits par euh, les organes euh, euh, européens et autres africains, c'est ce qui ressort de la vie de ces jeunes. Ils, expliquent que même pour le second tour, ils n'iront pas voter parce que de toutes les façons, il n'y a pas l'espoir. Quand on prend, par exemple, le programme à Baladi tout à l'heure, effectivement, c'est la question qu'est-ce qu'il va faire de ce deuxième mandat Parce que, regardez, du moment où un député LR en France se lève pour dire qu'au Malien, cet homme vous avez menti. Ibeka n'a rien fait. Tout, tout le il n'a fait que accentuer la violence, la division. Voilà, c'est eux, ils ont, ils ont les rapports de leurs diplomates. Ils ont plus d'informations que nous, nous ne pouvons pas. Ils ont des analystes qui peuvent voir ce que nous ne pouvons pas voir directement. Et, Donc, la situation du Congo, la République démocratique du Congo C'était la surprise. Et je pense qu'il faut des grandes décisions. Les grands hommes se, font se démarquent des autres à travers des décisions sages. Est-ce que ce n'est pas sous la pression de la euh, communauté euh, internationale euh, qu'il s'est retiré C'était stratégique. Il a vu, s'il force, il y aura un, chamboulement de la situation. On allait pistonner Bemba. Il fallait que lui aussi, il soit stratège. C'est pour cela qu'on dit gouverner le plus souvent, c'est prévoir. Il faut être stratège dans des situations. Si il, il, il, il va, euh, hein. s'entête à continuer, ce qui veut dire qu'il va se retrouver dans la même situation de Moïse Katumbi. Il sait qu'aujourd'hui, il a deux il a deux choses à utiliser. Par exemple, euh, laisser soit Bemba se présenter, ou, mais l'option n'était pas de laisser Bemba et Katumbi en même temps se présenter. C'est pour cela qu'ils ont tout fait pour arrêter Katumbi à la frontière pour qu'il ne puisse pas. Et vous avez vu comment ils ont, euh, ils ont caricaturé leur code électoral pour dire que non, il faut que en personne le candidat <laughs> puisse se déplacer donc, pour, aller euh, déposer. sa <laughs> candidature. Donc, ce qui veut dire que tout le système, c'est un système qui a été, parce que la dernière réunion à la veille de la date 2002 qui s'est déroulée dans son ranch privé, c'était des discussions houleuses qu'il avait eues. D'autres ne voulaient pas. Donc il faut trouver des garanties. Je pense que Ramazani peut incarner euh, la relève et c'est ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand il est temps de partir, il faut partir vraiment par la grande porte. Et vous voyez ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. C'est ça que nous ne souhaitons pas dans le pays aujourd'hui, ce divorce qui peut entraîner le pays dans une situation. justement, en Côte d'Ivoire, à euh, le président Ouattara a amnistié 800 personnes, dont l'ex-première dame euh, Simone Bagbo, euh, déjà sortie de prison mercredi. comment voyez-vous ce geste du président Ouattara Bon, c'est un geste qui était <clears throat> attendu, attendu des Ivoiriens, puisque je pense qu'il y a une gestion assez difficile de la crise post ivoirienne le fait que les partisans de Bagbo soient certains à la haie, d'autres devant les tribunaux, pendant que l'autre, quand lui n'était pas devant les tribunaux, ça posait une situation extrêmement difficile sur le plan social à, gérer. Alors aujourd'hui, Ouattara apparemment euh, compris et euh, il fait ce geste. Je pense que les Ivoiriens apparemment, j'ai vu euh, un titre, de, un numéro de Fraternité Matin qui est largement revenu, qui a donné la parole à beaucoup d'acteurs en Côte d'Ivoire, qui sont prononcés en saluant le geste de, de, Alassane Ouattara et tout ça, surtout la sortie de Simone Bagbo et tout ça. Mais j'espère que ça va aider à reconstruire la paix, parce que là, c'est le politique. Hein. Il prend une décision qui est suivie par, euh, qui est suivie d'effets immédiats. Mais pour les victimes, pour l'opinion, pour toutes les personnes qui ont souffert euh, pendant cette crise. Il faut peut-être encore du temps, il faut beaucoup de choses, je crois, pour que les gens puissent effectivement tourner la page. Mais lui, il fait un pas déjà en tant que président de la République. Est-ce que ce pas-là, est-ce que ce geste euh, va euh, un temps soit peu décanter la situation politique et sociale un peu tendue en, Côte d'Ivoire Alors, sur le plan politique, je pense que les enjeux sont ailleurs. Les, les enjeux, c'est l'héritage de Oufé, Les enjeux, c'est est-ce que lui-même Ouattara, euh, il va s'en aller euh, Le camp des Bédié, comment il se prépare Est-ce qu'il faut avoir un parti unique euh, sous l'emblème de Oufé Boigny qui réunirait le RDR, le PDCI de Bédié, etc. Il y, a, ce débat. Et à l'approche d'une élection, ce, ce, débat est tout à fait normal. Mais je pense que, en ce qui concerne euh, toute cette situation qui est très lourde à supporter, tous ces 3, toutes ces 3000 victimes de, la crise post-électorale, probablement aujourd'hui, euh, il faut se poser la question de ce geste, euh, qu'est-ce qu'il va aider véritablement à faire. Mais d'un point de vue politique, on peut saluer les gestes que le président ivoirien a posés. Daré Amadou, à 38 ans, Cabral Libi le plus jeune candidat à la présidentielle camerounaise euh, du 7 octobre. Euh, c'est un peu rare en Afrique, euh, n'est-ce pas Oui, c'est un peu rare, mais <laughs> contre un dinosaure comme Bia qui a déjà, déjà tout goupillé, bon, c'est juste moi, je pense que c'est juste pour un peu amuser la galerie, mais on sait très bien que Béa n'organise pas, pas, une élection pour, pour, pour perdre. C'est clair. Ah, non, non, non. Oui, non, mais non. non. S'il était fatigué, il n'allait pas être candidat. Maintenant, pour, pour revenir aux, élections au, Congo, par exemple. Allez-y. Oui, Congo. Mais, ah, mais Kabila est malin, il a compris. Les Occidentaux là, qui ont libéré Bemba, ce n'est pas pour rien. La, libération de Bamba est venue comme, comme ça, comme, comme par surprise. On dit, oh, libéré. Et puis il sort. Il a compris qu'il y, a un signal. En fait, les Occidentaux, qui sont contre son troisième mandat, veulent pistonner Bemba. Il a compris. Maintenant, lui, il dit, bon, je vais donner un candidat qui est le mien. Et maintenant, mes partisans vont le soutenir pour pouvoir battre Bemba. En réalité, c'est ce qui va se passer. Lui, Katumbi, ils l'ont déjà éliminé. Parce que la politique, c'est féroce effectivement, ils ont mis quelque chose dans le code qui. La, <laughs> binationalité, la double ah Mais... c'est méchant. Oui, c'est méchant. Oui, oui, personnellement, pour venir présenter, le dossier, eh il faut. Enfin, donc, euh, vous voyez, lui, c'est carrément fini pour lui. Pour la Côte d'Ivoire, maintenant, c'est la question à, la grande, à multiples inconnus. Qu'est-ce qui va se passer lors des élections C'est Ouattara Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il va devenir Bédier, qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qui va se passer Est-ce que parce qu'apparemment le FPI est en train de tourner la page de, de Bagbo, <laughs> mais je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, voilà, voilà, voilà, nous, voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Boukara Di Abba de la radio alternative, Gary Amadou du quotidien La Nation et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à vous tous, euh, les auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec Ada Maman pour le forum à et Balkis Hamidou pour le forum en Merci, au revoir.